Voyageons local. Quelques mots et le voyage commence. Pour ce nouveau numéro, nous avons un nouvel invité. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi euh, Bonjour, oui. Alors, je m'appelle euh, Mila Giralf, Euh, je suis d'origine euh, haïtienne, principalement de la ville de Miragouane, euh, qui se trouve dans le sud euh, d'Haïti. Donc, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis en France et je suis actuellement gérant d'un food truck qui s'appelle Kai Fritaille, qui propose de la cuisine haïtienne, <laughs> principalement des fritailles donc euh, griot, qui est du porc frit, et, euh, le poisson, et les pâtés codés qui sont des beignets haïtiens. Voilà. Donc Kai Fritai, qu'on rappelle, qui est euh, du côté du métro Gallieni, métro 3, hein, c'est ça, dans le Paris ça, métro, Gallieni, métro Gallieni, ligne 3, juste à côté du centre commercial. Voilà, on, en, on en reviendra après, il n'y a pas de souci, on parlera de ça après. Faut en parler, faut en parler, faut en parler. Euh, justement, euh, là, comme on parlait, tu parlais un peu de ta carte, et c'était une des questions, première des, que des questions que j'avais, euh, c'est que souvent les restaurants vont euh, traduire leur carte. Donc, euh, qu'est-ce qui t'est, enfin, comment t'es venu à l'idée de, euh, enfin, comment t'es venu l'idée de faire un food truck dans lequel tu mettrais que des mots en créole. Du coup, pâté codé, fritaille, même le nom, kai fritaille. Ouais. Comment c'est venu Comment ça a germé tout ça bah, bah, alors, l'idée, l'idée est venue après une longue période et tout, enfin c'est euh, dans, dans, enfin, dans, dans, mon parcours quoi, avec de, tout ce que j'ai fait, euh, le travail, euh, travailler avec ma tante aussi, enfin pardon, avec ma tante au restaurant. Euh, j'ai fait un peu de la gestion euh, dans comment s'appelle dans, dans dans un coffee shop et, euh, et après après tout ça euh, donc j'étais au chômage euh, au chômage technique et il y avait cette cette cette période où euh, bah, justement les food trucks en France se lançaient et tout, donc il y avait plusieurs concepts, euh, euh burger, euh, pizza, euh, enfin, la gastronomie qu'on retrouve en France, mais il n'y a pas forcément beaucoup de gastronomie antillaise, voire haïtienne. Bon allez, bah, c'est en ce moment ces tendance et tout. Euh, j'ai un savoir-faire, j'ai une culture culinaire euh, très très euh, très forte euh, sur la cuisine haïtienne. Donc, euh, pourquoi pas monter un concept autour de la cuisine haïtienne dans un food truck, quoi. Ok, ouais. Donc, voilà, voilà, voilà, comment est venue l'idée euh, du, food truck, et après... du food truck avec des menus haïtiens, euh, avec euh, voilà, même le nom et tout, euh, voilà, que, que j'ai choisi. Donc, j'ai voulu qu'il soit vraiment en créole, mm -hmm. qui, qui, détermine vraiment le concept. Donc, je, je, propose des fritailles. Et, et, chez nous, on aime bien, voilà, quand je chez nous, je parle en Haïti, euh, s'identifier à ce qu'on fait quoi donc euh, c'est là si tu fais euh, par exemple quand tu vas aller chez le cordonnier ça va pas être le cordonnier c'est-à-dire chez, chez le chez monsieur un tel qui qui répare les, les chaussures ou chez madame un tel qui cuisine euh, un tel qui, cuisine quelque chose quoi donc moi j'ai voulu euh, mettre une identité propre à mon concept, donc je l'ai appelé Kai Freetail, qui veut dire la maison de la freetail, quoi. Donc, euh, qui, est, euh, qui reprend vraiment ce qu'on fait et euh, qui, qui, a un petit côté culturel euh, de, de, des, des, noms des, euh, des restaurants ou des, des, business en Haïti, quoi. Ah, voilà, le côté euh, essence même, en fait, l'essence, aller à l'essence même grâce au créole, quoi, grâce au mot. Là, voilà, c'est ça. Même voilà, pas, pas, mettre un côté anglais, genre euh, fuck, je sais pas quoi, euh, genre euh, Caribbean, machin, non, le nom. Après, pour la, la dénomination, oui, il y en a Caribbean Food sur le food truck pour voilà que les gens disent c'est la cuisine caribéenne en gros. Mais après, le nom lui-même, si un haïtien il passe directement sur le s'identifie à Kai Fritai. Et justement, les gens, quand ils demandent, bah, ça veut dire quoi Kai Fritai, on, on respecte le nom et, euh, et voilà, ça colle totalement euh, avec le concept du food truck. Quoi. Ouais, parce que ce que j'ai vu, en fait, justement, c'est ça, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens bah, qui ne savent pas forcément, qui connaissent pas forcément les, les fritailles. Et euh, du coup, bah, ouais, c'est qu'on leur explique tout simplement, tout simplement, chaleureusement. Et euh, bah, c'est le côté un peu découverte pour certains, d'autres, c'est un, un, rappel. Ça, et du coup, je trouve vraiment que bah, tu valorises du coup Haïti et son patrimoine. parce que euh, on voit une petite carte d'Haïti, mais c'est pas forcément un gros truc. Euh, c'est pas forcément un gros truc qui fait mal aux yeux. Euh, on a un peu de musique. Après, après moi, je n'ai pas voulu vraiment me baser sur euh, genre euh, sur Haïti, tout ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de restaurants, genre, on va dire, euh, ça sera genre le plaisir d'Haïti ou je sais pas trop quoi, enfin des trucs dans le genre. Je, donc, je voulais vraiment faire quelque chose de, de, de moderne et tout, et sans sans sans oublier l'identité en fait. Mmh. Donc euh, voilà, moi bon souvent il y, a, des Haïtiens ou même des Caribéens qui passent et qui lisent fritaille, déjà le caille fritaille, bah, ils savent déjà très bien que c'est une cuisine haïtienne en fait. Ouais. Donc euh, ils savent très bien que qu'ils vont trouver. Et euh, voilà, et souvent, euh, bon, nous on est basé à côté de, d'un comment on appelle ça d'un hôtel où qui reçoit beaucoup de, de, de, clients et tout et euh, on a souvent des clients haïtiens et mmh. directement quand il part et tout, ils disent bah voilà, hop, on est passé là, euh, ça nous a rappelé le pays directement, mmh. on a vu Taille ouais. Fritaille, on s'est dit bah là ça c'est c'est plaisir la caille, c'est c'est c'est quelqu'un ah, de chez nous ah, quoi. Donc c'est euh, quelque chose qui est vraiment une identité forte en fait ouais. du, du, concept. Ah ouais non c'est enfin c'est vraiment euh, enfin euh, moi je le vois aussi et euh, je suis enfin je suis émerveillée parce que comme je te dis hein, c'est le côté vraiment chaleureux par les mots tu fais voyager tu fais voyager les gens et d'autres tu leur fais se souvenir en fait de bah, de de, de leur ça. enfance ou, euh, ou même d'un voyage qu'ils ont pu faire. Et euh, du coup, euh, moi, c'est ce que je salue dans ton, dans ton travail. Euh, okay. Du coup, est-ce que tu aurais des bons plans à partager en termes d'adresses, d'événements, euh, de choses euh, en ligne alors, des, des, bons plans à partager en termes de quoi par, la, par, rapport à la culture haïtienne, c'est ça, tu parles Par rapport à la culture haïtienne ou même pour manger haïtien euh, pour manger ici, bah, déjà de venir chez moi. Ouais. <laughs> C'est bien. venir ça. chez Kai Fritai, donc découvrir euh, nos fritailles euh, et nos spécialités, le riz jonjon. Et après, en termes de bon plan, euh, euh, ben, je, je, je, suis pas forcément très très calé ce qui est bon plan. Euh, ah, L'idée, c'est que tu, tu, que tu, parles un peu après, des fritailles parties, tu vois. C'était ça qui y avait dans la question. Des fritailles en fait. parties, oui, ah oui, bah, les free time parties, donc <laughs> c'est un événement, voilà. ouais, justement, tu parlais de bon plan, je pensais que c'était tout ce qu'on bah, Pour moi, c'est un bon plan. On est, on est, on est, oui, oui, c'est un bon plan, j'allais venir, j'allais venir. <laughs> Donc effectivement, oui, à la Free Thai Party, donc c'est un événement qu'on organise euh, par rapport justement à notre culture euh, culinaire et tout. Donc on, Donc on propose justement les freetiles, mais on rajoute le petit plus euh, qui est musique et tout, et euh, en animation, parce que enfin, souvent quand vous allez en, Haïti, euh, dans les rues, bah le freetail est souvent vendu dans les rues. Et quand vous oui. arrivez, euh, comme on dit euh, chez nous, euh, là, arrivez côte machonne là, donc c'est mm la, mhm. la personne vend, qui vend la nourriture, il y a souvent de la musique, il y a souvent une ambiance, donc il y a souvent des gens qui sont, qui sont assis, attablés, en train de jouer au domino, ouais. boire un petit punch, euh, siroter un petit cocktail, un jus, un jus de fruits, euh, fraîchement préparé. <laughs> il y a, ambiance. voilà. Donc il y a ambiance, il y a prend plaisir. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place la, la free party. Mm -hmm. Donc euh, voilà, les gens quand ils viennent en famille, euh, se retrouver, euh, bah, apprécier un bon free time et, euh, et pouvoir écouter euh, de la musique et s'enjailler et boire euh, un petit cocktail si le désir aussi quoi. Donc comme comme on, comme on le faisait au pays, sauf restaurant, dans un très beau cadre quoi. Donc, et par, en parlant de code, restaurant avec qui euh, on est en ah partenariat pour faire euh, ces événements en ce moment, donc euh, qui nous permettent justement de réaliser ces événements dans, dans, leur, dans leur magnifique restaurant. Donc un, un, grand merci à Omango pour, pour leur, leur, leur partenariat. Quoi. en tout cas, c'est un beau résultat. Moi, j'ai pu euh, venir euh, deux fois. Et euh, ouais. du coup, bah, ouais, j'ai bien aimé le concept et de pouvoir bah, avoir cette ambiance, effectivement, pouvoir manger ses fritailles et puis en même temps profiter d'une piste de danse, on va dire, enfin de, Être un peu comme, un peu comme le pays, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, le but, c'est ça, hein, c'est de te ramener au pays. Hein. D'ailleurs, notre slogan, euh, c'est c'est plaisir la l'accueil, quoi. Ça veut dire <laughs> Kai c'est le plaisir de la maison, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe où on est, dès que tu arrives chez Kai tu te sens chez toi, quoi. Donc, euh, voilà. ouais, parce qu'en plus, euh, c'est autant à emporter. Enfin, on peut manger sur place euh, quand on est euh, à Galliani. bien sûr. Euh, sur, et puis, il y a aussi bah, par des livres. Je trouvais que ça, c'était bien aussi de pouvoir avoir ça. De... Et, bah, ouais. depuis quelques temps, on a, des, on a développé la vente à emporter par, avec des livreaux et tout. Donc malheureusement, on ne peut pas livrer euh, toute l'île de France et tout, parce que bon, les, oui. les zones sont un peu restreintes. Mais voilà, après euh, tout ce qui est euh, la petite couronne euh, et euh, enfin banlieue proche, euh, Bagnolet, Lila, Montreuil, tout ça. Donc on, on est, on est, on est amené de, de, les délivrer, de les, de les livrer pardon avec des livreaux quoi. Donc, euh, après, après c'est pour jamais, euh, il euh, y aura des caille dans toute la France et puis on librera partout. Bon, on travaille pour ça, on travaille pour ça, on travaille pour ça. Donc euh, l'idée, si effectivement ce serait développer le concept. Parce que souvent les gens nous demandent est-ce que vous faites pas de, de livraison dans tel endroit, tel endroit, quand est-ce que vous venez On a même eu des demandes euh, ben, vraiment très très loin dans la France, hein, Bordeaux, euh, Toulouse, euh, euh, franchement euh, vraiment de partout quoi. Donc euh, l'idée c'est vraiment qu'on développe le concept et puis qu'on puisse se répartir sur les deux France, voire à l'international. Oh, ça de ce sont de gros projets. Tu nous tiendras ah, informés. Ah, hein, tu nous tiendras informés. Il n'y a pas de souci. et du coup, bah, comme tu l'as dit, il y a plein de gens qui, peuvent, qui, ont envie de, qui ont envie de découvrir euh, Haïti et sa culture n'importe où, mm -hmm. que ce le sud de Paris ou, à, euh, ou même à Lyon ou encore un peu plus loin. Euh, bah, tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite découvrir Haïti et sa culture bah, d'essayer d'aller avec quelqu'un qui connaît très bien les lieux. Euh, comme ça, ça évite les parcours touristiques, euh, voilà, déjà programmés, euh, remplis de monde pour rien, et mmh. euh, et, euh, et d'aller avec pas, pas enfin d'aller avec le cœur et l'envie de découvrir ici, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de sites magnifiques, beaucoup de d'événements, Et, euh, et, vraiment, il y a une très très, très grande richesse euh, culinaire là-bas. Donc, euh, un conseil, euh, franchement, ne perdez pas de temps. Voilà. Si j'ai un conseil vraiment à donner à quelqu'un, ne perdez pas de temps pour aller découvrir ce, ce magnifique pays, en fait. Voilà. Bah, bah, bah merci. Et euh, en parlant de richesse culinaire, quel est ton plat préféré Oula, mon plat préféré. Alors, <laughs> ah, mon plat préféré, franchement, c'est, euh, bah, je, vais, je vais le dire pour le coup en créole, c'est Djeko à pois. Mmh. Voilà. Viande, viande sauce et avec un bon, un bon légume. Voilà, légumes, ah. légume bon légume qui y a crevettes là-dedans, qui y viande là-dedans. Et puis, euh, voilà, quoi. C'est, c'est, ça, c'est mon plat préféré, quoi. Direct collé à, direct collé à quoi avec légumes, quoi. C'est, ah un des plats préférés. Ah ouais, ça, c'est gros plat, on va faire dimanche. Oui, voilà, ça c'est les gros plats familiales, familiaux, voilà, je veux dire, familiales, pardon. Donc on retrouve euh, le, le week-end et tout, qu'on peut manger voilà, à 10, 15, voire même <laughs> plus. Euh, voilà, donc, euh, ouais, ça rappelle les ambiances et tout, ça rappelle ouais. les, voilà, quand, on se retrouve en famille et tout, donc c'est super, c'est formidable. D'accord, donc ce côté-là, en fait, c'est vraiment pour euh, ce côté effectivement familial, chaleureux, de se réunir, le lien qu'on a avec la famille, avec des amis, euh, c'est ce que tu te rappelle ce ça. plat, en fait. C'est ça, c'est Au-delà voilà. d'être savoureux, c'est ce qui te rappelle aussi ce plat. Voilà. Mais c'est vraiment, son, il y a son goût aussi quand même, hein, faut pas déconner. Le, le, le, le, riz, le riz collé là, avec un, avec un peu de lait de coco dedans là, c'est un vrai délire. <laughs> voilà, si vous, si vous avez l'occasion de partir en Haïti, de manger un bon, un bon riz collé, voilà, avec lait de coco maison, vous allez vous faire plaisir. Et eh bon, ok, ça donne, ça donne l'eau à la bouche ça. <laughs> du coup, euh, pour découvrir aussi Haïti, Le créole, c'est important. Euh, quel conseil tu pourrais donner à, quel, à quelqu'un qui souhaite apprendre le créole bah, Franchement, le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui souhaite apprendre le créole, bah, c'est d'y aller. Parce que franchement, il n'y a pas, y a pas meilleur endroit. Non, mais c'est vrai, hein, franchement, il n'y a pas cher, meilleur hein endroit. <laughs> Parce que, non mais, non, mais, honnêtement, je dis ça parce que, euh, bon, je suis haïtien, je, mm-hmm. je suis parti de là-bas, j'avais 4 ans. Euh, je pratique, euh, je, je, parle, on, je parle créole euh, avec ma, avec ma, mère et la famille et tout. Mais euh, quand on est là-bas, c'est pas pareil, quoi. Enfin, les mimiques, les mots, les expressions, il euh, ouais. n'y a rien de mieux que, que, que de rendre oui, l'immersion totale, la, la, euh, la, langue et tout, voilà, l'immersion totale, ça fait, ça fait son voilà, effet. quoi. Et puis après, bah, c'est voilà, puis euh, fréquenter le maximum le milieu haïtien, euh, écouter du compas, je sais pas, enfin voilà, enfin lire des ouvrages euh, Je sais mhm. pas s'il y a beaucoup, je connais malheureusement des auteurs haïtiens qui ont des livres en, qui écrits en haïtien, mais voilà. Il y en a beaucoup. Attention, il y en a beaucoup. <laughs> oui, il y en a. Bah, bah, je ne connais pas. Moi, je, voilà, il y en a beaucoup. Donc, je pense que voilà, se diriger vers la culture, euh, vers la culture euh, littéraire haïtienne et tout, et voilà, comme ça, on pourra, les gens pourront mieux apprendre et découvrir cette langue. Oui, parce qu'après, tu en as, en as beaucoup et dans le sens où euh, après, tu en as qui sont plus ou moins accessibles. C'est que euh, tu pourras avoir euh, Mapli à, quel, à quel content. C'est euh, un petit livre d'exercice. En fait, c'est un petit livre pour apprendre le créole. Euh, donc, à plusieurs niveaux. Il y a des petites histoires et des questions aussi pour analyser le texte et euh, comme ça, apprendre le créole. Bon, après, ça, c'est une édition haïtienne, mais tu peux le retrouver aussi en France. Euh, sur Internet et même dans les librairies en ligne, tu peux retrouver euh, des, euh, des, mmh, des, auteurs comme euh, Fred Etienne ah, okay. La Fortune, Tonton Guy, okay. Janie ok ok C'est toi, qui me donne les bons plans pour apprendre ok ok c'est parfait. Il <laughs> n'y a pas de souci. Et puis un autre bon plan, tu as le blog Voyageons local, <laughs> sur lequel il y a les textes en créole, tu vois. c'est parfait. Moi, ok j'ai l'almanach, hein, j'ai l'almanach avec euh, tout, tout l'alphabet et tout. C'est vrai? Ah, Attends, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien du coup, euh, question subsidiaire, est-ce que c'est bien l'alphabet créole officiel avec la résolution de l'ACA qui est, par, qui est parue en 2017 Ah, je ne sais pas, elle est dans mon truc en fait, donc là je l'ai pas sous les yeux. <laughs> ah non, mais c'est, d'accord, c'est celui qu'on t'a offert là Ouais, ouais, c'est ça, celui que tu m'as <laughs> offert. oui, c'est, bien, c'est bien l'officiel. ok <laughs> avec la prononciation. C'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai que j'étais assez fière que tu le mettes euh, sur, euh, que tu mettes comme ça, que tu exposes comme ça dans, ton, dans, dans, le food truck. Mm -hmm. euh, parce que euh, bah, c'est le côté bah, la carte et puis de pouvoir euh, de pouvoir mettre en avant autant euh, le vocabulaire. C'est ça fait plaisir que tu l'affiches comme ça et même c'est je pense ouais c'était ça fait partie des l'une des personnes qui m'a qui m'a poussé justement à, à, en faire un, à en faire une affiche. Parce que, ah euh... Il faut, faut, faut encourager. Il euh, euh, faut, on a des acteurs comme ça qui, qui, mettent en avant notre culture, qui essaient de la promouvoir et tout. Il, faut, il est important pour nous, justement, de, de vous soutenir, de vous encourager. C'est une très bonne chose. Ah ouais, non, mais, euh, je te, non, mais je te remercie, mais euh, en fait, c'est surtout le côté. Bon, au début, je voulais pas que ce soit une affiche. Au début, c'était un petit livret origami. Euh, c'était juste ça, en <laughs> fait. C'était le petit livret origami à avoir dans ah la poche, à sortir quand on a envie. Le laisser, pourquoi le laisser confiner, ce, ce, ce livret, alors qu'on <laughs> peut le mettre à la vue de tout le monde Et, et voilà, et, et, et, susciter la curiosité des gens, voilà, c'est là qu'un c'est intéressant. On a quelque chose, une connaissance, ben c'est vrai, on a, une, on a, une, connaissance, on a quelque chose, on, on, on le cache, enfin, on veut pas, il euh, faut pas, il faut justement, faut le montrer, faut l'exposer pour que les gens soient plus intéressés. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ben, C'est ceci, c'est cela, voilà, tu vois. Ben, après, c'est mon point de vue, hein, c'est mon point de vue. Donc, euh, non, si non, tu veux, là, tu veux, la prochaine fois, je l'enlève, il n'y a pas de souci. Non, mais non, fais pas ça. Non, non, non, non, j'ai pas dit ça. Non, en fait, justement, je te remercie de m'avoir euh, fait cette remarque et euh, d'avoir eu ton retour d'expérience là-dessus parce que, euh, enfin, ce que t'en as pensé, quoi. Parce que, euh, du coup, ça, bah, ça, euh, c'était une idée que j'avais pas, en fait. C'est, euh, c'est pas que je voulais forcément le cacher, mais cette idée-là, je l'avais pas. Et, euh, et, c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa de pouvoir l'avoir comme ça, de pouvoir, enfin, euh, le fait de mettre, comme, de pouvoir l'utiliser, que ce soit en affiche ou en set de table, Ouais, je me dis, bah, ouais, c'est, c'est vrai que c'est, ça peut être pertinent. Et euh, du coup, tu as vu, euh, les, sets de table, ils sont plastifiés, tu vois. Ils sont bien plastifiés. Ouais, il y a deux tailles. Euh, donc, ça va. On peut, on peut, encore améliorer, mais en tout cas, voilà, on a, à partir de, des, des, observations que j'ai pu avoir, dont les tiennes, bah, j'ai pu faire évoluer tout ça, quoi. Bah, donc, ouais, merci aussi. Merci encore. Félicitations, c'est bien. <laughs> c'est très gentil. Euh, maintenant, on va passer au défi de Jonjon. Défi de Jonjon, d'accord. J'avais une question à te poser. C'est quoi le défi de Jonjon euh, c'est un petit truc que j'ai inventé euh, parce que euh, le, par rapport au bah, le jonjon, comme le, c'est le champignon de jonjon, il pousse euh, ouais. n'importe où. Jonjon poussé, euh, pousse, enfin, jonjon poussé côté levelé, mhm. même en bas je poule. Enfin, ouais, jonjon lève et côté levelé, même en bas je poule. Okay. Et créole, c'est jonjon. Nous, nous, nous, de un opalel tout de côté. Ah, ok, d'accord, parfait. Et <laughs> euh, voilà, c'est ce côté euh, bah, défi de jonjon. Donc après, ce défi qu'on peut se lancer partout, ce défi de, de, défi de parler en créole, de okay. Mmh, l'orthographe, d'apprendre d'apprendre le créole. je suis chaud pour le défi, c'est parti. Hein, je, je... Petit défi. Tim Tim. Okay. Ouais, c'est. Glocampé. Alors, Glocampé, c'est canne à sucre. Bravo. Blomontémon. Euh... Alors là, celui-là, je passe. Blomontémon, donne des propositions. Blomontémon. Mmh. Blomontémon. Euh, de l'eau qui monte une montagne. Oui, ça, je l'ai compris, il n'y a pas besoin de traduction pour ça, pas <laughs> Ah, attends, attends. T'inquiète, on ne pas demander, des gars, excusez-moi. Alors, alors Glomontémon, je veux que Glomontémon. vas-y. Ferme les yeux, on va en Haïti. Euh, je suis en train de je suis en train de caler. je, ne vois pas. je ne vois un fruit, c'est ça C'est euh, pas un cocotier peut-être Cocoyer, cocoyer. Ah, ok, d'accord, ok, je sais ça. Ok. <laughs> ok, ok, c'est parfait, c'est bien. C'est vrai que j'avais zappé. Mais ouais, ok, parfait. Pas très bien. <laughs> Tim, Tim. Moi, c'est. Passez ici. M'a passé là, n'a contré là-bas. Euh, passez ici. Passez ici. Si la... Passez ici. M'a passé là, n'a contré là-bas. Passe par ici, je passe par là, et on, et, son... et on se rencontrera de l'autre côté. passer ici, ah, m'a passé là, et n'a contré l'autre bord. Ok, passer ici, passer là. Bah, le reflet, je sais pas. Le reflet Pourquoi le reflet Je sais pas. C'est quoi c est, c est, Ça parle de fruits encore, c'est ça C'est euh, du réseau alimentaire <laughs> Non, euh, faut, moi je reste sur des, euh, des devinettes haïtiennes et même les devinettes en général, les devinettes ah, de, euh, des, des, indices. Des indices, là, en fait, là. Des, indices, des indices non, c'est indice, tu vas en Haïti, c'est quelque chose de concret. C'est pas euh, c'est pas simplement en Haïti, mais il euh, faut savoir que les devinettes c'est c'est jamais du conceptuel, enfin ou très ou très très très rare. C'est euh, enfin c'est c'est du concret quoi. C'est très concret, c'est des choses très concrètes. Donc, tu m'as dit passer ici. Passer ici, passer ici. Enfin, mm -hmm. passer ici, ma, ma, passer ici, ma passer là et la contrer l'autre bord. Toi, okay, tu passes par ici. ici. Moi, je passe par là. Et, bord. et on se rencontrera de l'autre côté. <laughs> Et donc, tu l'as pas simplement en Haïti, mais là, je crois que tu vas pas l'avoir. D'accord, bah, dis-moi la réponse. En ceinturon En ceinturon, ouais, c'est. Ok, d'accord, ouais, une ceinture, ouais. <laughs> ok, ok, vas-y, ça marche. T'en aurais une de devinette, toi du coup euh, Une devinette. Est-ce que j'avais une devinette euh, Justement, parce que moi, je pensais que Euh, tac, tac, tac. Euh, est-ce que j'ai une devinette Je crois que non, en fait, la devinette que j'avais. Ah si, j'ai une devinette en créole, un petit créole haïtien, voilà. Euh, c'est, euh, ça, ça un dans alimentaire Alors, euh, moi, moi pas reine, mais me porte, moi, moi, moi, moi, chapeau. On Ah, c'est, c'est pas roi, pas reine, mais porter en couronne. Même gagner en couronne, qui ma En couronne, ok, parfait. <laughs> Voilà. Après, en termes de devinette, j'en ai pas tant que ça, des devinettes. Non, mais bon, y a pas de, pas de problème. Et puis après, euh, ça, ça, peut se découvrir au fur et à mesure. Il y a un livre que je peux te conseiller et que, euh, qui est vraiment une perle. C'est euh, le dictionnaire des Tintim et Sirandam aux éditions Ibis Rouge. Et dedans, en fait, il y a des, euh, des devinettes de toute la Caraïbe. Et d'abord une analyse des devinettes, de comment elles sont construites, tout ça, et puis même l'importance qu'elles ont, bah depuis, euh, du coup, euh, depuis le continent. Et, euh, et, ensuite, il y a euh, du coup une partie sur euh, les devinettes. Elles sont d'abord traduites en français et puis après, elles sont en version originale. Donc, tu auras des devinettes de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, d'Haïti, de la Guyane. Et on apprend aussi, bah, du coup, pour, bah, on apprend Tim Tim, Massac Massac, Yékri Cricac, tout ça. Enfin, voilà. Et du coup, c'est une mine d'or. Enfin, je trouvais ce livre vraiment intéressant. Quoi. Ouais. Okay. Je trouve que c'est une mine d'or, ce livre. Et, et puis aussi, tu peux aller encore aussi sur voyageonlocal.blogspot.com <laughs> et mmh dessus, il y a quelques devinettes que, que je propose, que j'ai que j'ai écrites. Euh, du coup, euh, bah, voilà, à force de, de, lire des choses et puis euh, d'essayer de, aussi, du coup, de, de, de de composer une devinette. Ah, okay. parce que j'en ai une encore, du coup. Tim Tim. Wesh. Dwevini D'où est parti, d'où Ah, mais celle-là, tu me l'avais posée déjà, je ne l'ai jamais trouvée, celle-là. <laughs> je ne l'ai jamais trouvée, celle-là. Je en plus, pendant, pendant un mois, je l'ai faite. Pendant un mois, je l'ai faite pendant le mois créole euh, chez Africa. Ah ouais, je sais, je sais, je sais. J'ai dû y répondre. Je sais que je t'avais croisé euh, euh, au 21 et j'ai dû répondre à cette devinette que je n'ai toujours pas trouvée, d'ailleurs. bon, ok. <laughs> Tap, tap. Bah, vas-y, due veni, due pati, due rive, tap tap. Et tap tap tap tap, c'est le, le, le taxi créole, c'est ça La camionnette de transport. D'accord, mais alors pourquoi tu peux me donner un peu plus d'explications en fait par rapport à ça ah, Due vini, due pati, due mhm. rive. Donc c'est euh, un peu, ouais, les supposés. Les due vini. Ok. Les due pati. Effectivement. Et les due rive. D'accord, ah, c'était un peu compliqué. C'est pas compliqué, faut pas, non, faut pas, c'est pas compliqué. Après, c'est vrai que c'est, euh, c'est vrai qu'il faut, euh, enfin, euh, faut se mettre un peu dans le, faut se mettre un peu. Ah, oui, c'est un jeu. Il y a le côté jeu de mots. Il y a un jeu de mots, c'est clair. Et ensuite, euh, ouais, c'est que, euh, c'est qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui doit venir, doit partir et doit arriver. Du coup, très vite. Au tap-tap, parce que tap-tap, ça, veut dire, euh, ça veut dire vite, ça veut dire rapide. Il faut, se, faut se plonger dans la culture et tout, effectivement, si t'es pas dans, le truc. Non, pas que après, non, tu l'as pas tout de suite, effectivement, je vais pas mentir. Tu l'as pas forcément tout de suite si, euh, <laughs> si tu connais pas. C'est quand même compliqué, même là, quand tu me le dis, je dis, ah, quand même, il fallait, y penser. bon et la ceinture, la ceinture, et la ceinture, et notre coco. Notre coco, oui, la coco, ça va. C'était évident. Après, à la ceinture, bon, je sais pas, je sais pas creuser les ménages, mais le tap-tap, il était, était dur. Hein. Non, c'était dur, pas dur. Non, après, c'est que, après, les, les devinettes, c'est euh, souvent, euh, bah, on, faut, ré... soit faut réfléchir un peu, faut réfléchir. Et effectivement, faut, faut, faut pas hésiter à donner plein de, plein de réponses. Il faut peut être hésiter donner plein de réponses et à, et à, à, tenter, essayer, essayer, essayer. Et après, la réponse, elle viendra. Même euh, le fait euh, de, de faire en collectif, d'être à plusieurs, euh, à ce qu'il y ait plusieurs personnes qui donnent une proposition, Ça, c'est une première manière d'avoir la réponse. Et ensuite, effectivement, c'est de s'en souvenir. C'est beaucoup le souvenir. Donc, c'est pour ça que, euh, bah, en fait, quand on fait des devinettes en groupe, en famille, même avec des gens qui sont pas du tout haïtiens, tout le monde peut, y a... tout, le monde peut arriver à la réponse. Franchement, moi, il y a eu plein de fois où j'ai fait les devinettes, où j'ai même pas vu, j'ai même pas eu besoin de dire la réponse. Il y a juste eu bah, le fait que les gens, du coup, euh, genre, donnent les réponses, donnent les réponses, donnent les propositions. Et au bout d'un moment, bah, ça fait, ça fait, euh, ça fait gamberger. Ah, ça, et la réponse collider, Effectivement, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, c'est possible, c'est accessible. Et euh, je l'ai confirmé pendant le mois créole euh, chez toi, chez Kai Fritaille. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Pas de problème, ça marche. Moi, je me pencherai plus sur les devinettes créoles, pas de problème. N'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas, et il faut. Et du coup, okay. dans l'autre partie du défi de jonjon est-ce que tu aurais un proverbe à partager avec nous euh, Un proverbe euh, Oui, j'en ai un. petit proverbe ouais. qui, est, qui, est, très simple. Donc, je, je, je le dis en croatien, évidemment. Hein. Vas-y, hein, pour plus d'essence. Euh. Euh, alors, c'est dépiter tout, pas couper ou espérer qu'à mettre chapeau. Ah, j'aime bien celle-là. Ok. Donc, tu veux dire, en fait, depuis que tu n'as pas la tête coupée, tu peux espérer mettre un chapeau. qui veux, qui, concrètement, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, en fait. Ouais, Donc, toujours ne jamais, jamais, abandonner ses, ses, rêves, en fait, mm. tu vois. Voilà. Ouais, non, ouais, tout à fait. C'est euh, vraiment euh, c'est un beau proverbe et, euh, Et je trouve qu'il l'a bien aussi, justement, parce que pour le coup, euh, ouais, c'est euh, le côté ah, possible. Moi, choisi. En, tant, en tant qu'entrepreneur, je ne peux que choisir comme ça l'entrepreneur. voilà, je pense que c'est ce qui nous définit euh, beaucoup euh, par rapport aux entrepreneurs. Voilà. Toujours mm. garder l'espoir et, euh, et, croire en ses rêves. Voilà. Mm. Ah ouais, non, mais aller de l'avant et puis être optimiste, quoi. C'est une bonne chose. J'aime bien parce qu'il y a ça aussi dans. Euh, bah, il peut y avoir ça aussi dans le créole. Parce que très souvent, on va associer euh, le fait d'apprendre le créole avec euh, des insultes, alors qu'il y, y, a des proverbes qui sont super sympas à apprendre et, euh, et à connaître. Quoi. Donc, du coup, euh, ce côté positif, optimiste, euh, j'aime beaucoup. Et maintenant, la, la dernière partie du défi de Jonjon. Moi, je voudrais une comptine. Mais après, tu peux nous partager une chanson que tu aimes bien, que tu chantais quand tu étais petit ou, ou autre. Oula. Ou plus jeune. <laughs> mmh. Ou jeune. Non, bah, franchement, je vais, je vais, te décevoir parce que j'ai. Euh, cantine, j'en ai pas. Ouais. Et euh, des, des, une chanson. Euh, j'ai pas vraiment de chanson, quoi. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de petites cantines haïtiennes et tout, mais euh, moi, j'ai une très mauvaise mémoire. À part pour la nourriture, je ne retiens rien. <laughs> à, part, à part mes recettes. <laughs> Donc je suis vraiment désolé. Donc euh, pas de cantine euh, ni de, de chansons de, de, de Kai Fritai aujourd'hui. Oh là là. Parce voilà. qu'en plus, le, le, pire, je me suis dit que tu pourrais quand même avoir un, une petite chanson, parce que je me rappelle justement pendant le mois créole, quand on a fait des petites mm. euh, comptines, tout ça, des petites chansons, euh, as, limite, t'as dansé direct, tu vois. <laughs> Et moi, je te choquée. Bien sûr, ça, ça, ça, pas un problème ça, mais après, euh, voilà, c'est comme ceux qui viennent manger, ceux qui vont faire la cuisine, tu vois. Il ouais, y a ceux qui savent chanter, qui savent raconter, compter, il y a ceux qui viennent s'ambiancer sur les comptes et, euh, et, et s'évader sur les comptes. Moi, celui qui vient danser et s'évader sur les comptes, en fait, voilà. Je ne sais pas compter ni chanter. Voilà. Bon, ben, on va quand même essayer, alors, enfin, bon, merci pour ta franchise, mais on va quand même essayer, du coup, de faire une petite comptine pour la fin. Donc, euh, Panama moins tombé

Ouais, je pense que les gens, quand ils vont cette partie de l'interview, ils ils vont se mettre des boules parce que là, ça va être agréable. <laughs> bon. je vais juste la terminer pour la compléter. <laughs> Donc après la suite, parce qu'il y a une suite hein, quand même. <laughs> Ah, on a... Vas-y, vas-y. Ah Vas on fait comme ça. On arrive en Carrefour bene. Vas-y. On arrive en Carrefour On arrive en Carrefour Panama, moi Panama, moi <laughs> Panama, moi Panama, moi Panama, moi Panama, moi Panama, moi <laughs> Voilà, maman est tombée. Sa ki deye. Sa ki deye. Ramase li pou mwen. Ramase li <laughs> Ouais, Panama mwen tombé. Bon, il faut que tu arrêtes ce parce que franchement... Euh, <laughs> ah ah ah ah ah ah ah ah ah Non, moi j'aimais bien, ça, ça partait bien là, tu vois. Là on était, là, on était bien là. ah voilà. Je vous mettrai un petit compas, je vous mettrai un petit compas au food truck. Voilà, d'accord, parce que là. Euh, non, non, mais ça partait bien là, ça partait bien. <laughs> bon, ok, on va en rester là. Bah, je te remercie en tout cas. Merci pour ce moment passé euh, avec nous dans, bah, sur ah Local. Donc, euh, on rappelle l'adresse euh, de ton, de ton food truck, Kai Fritaille. Alors, Kai Fritaille se trouve aux 2 avenue du Général de Gaulle, à Bagnolet, 93 170, juste à proximité du centre commercial Bel Est, euh, métro, euh, métro Galigny, ligne 3. Ouais, ok. Euh, ouais, donc Kai Fritaille, on te retrouve ouais. Euh, sur les réseaux sociaux, tu es sur Insta, ça, sur, Facebook. Insta, Facebook, Snap. Bon, je suis pas très, pas très pas très sur, euh, sur Snap, mais euh, plutôt sur Instagram. Donc très actif sur Instagram et sur Facebook. Ouais, il y a des belles photos, ça donne envie de manger, ça. <laughs> voilà, merci, merci, merci. Donc euh, là, on attend juste la réouverture. Il y a des bonnes choses qui vont arriver là bientôt. Ok, bon, on se tient courant, on se tient informé, on se tient informé. Et merci à toi. Et à très bientôt. Okay. Ouais, à très Donc, bientôt. Euh... Merci à toi aussi. <laughs> Merci à toi. Voyage, local. Plutôt. Ouais, local. Quelques mots et le voyage commence.